Fidèles auditeurs des programmes du studio Kalangou, bonsoir et bienvenue dans le forum du studio Kalangou en ce lundi 3 mai où nous célébrons l'édition 2021 de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Et c'est dans ce cadre que nous parlerons ce soir de la contribution de la presse nigérienne dans la promotion de l'état de droit et de la démocratie au Niger, avancées et défis. Au cours de ce forum, nous verrons d'abord les avancées enregistrées par le Niger dans le cadre de la liberté de la presse dans l'ère démocratique nigérienne et dans la deuxième partie de ce forum, il sera question des défis qui se posent à la presse nigérienne actuellement dans le cadre de la promotion de l'état de droit et de la démocratie au Niger ainsi que les efforts à faire pour réussir à relever ces défis. Pour en débattre, nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio M. Suleiman Bra, il est le secrétaire à l'information de la Maison de la Presse, Souleymane Bra. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons également comme invité M. Ismaël Lawal Salou. Il est conseiller technique euh, du président du Conseil supérieur de la communication, le CSC, l'instance de régulation des médias au Niger. Monsieur le conseiller technique, euh, bonsoir. Bonsoir. Et enfin, notre troisième euh, invité, c'est Seydou Gibril. Il est journaliste. Seydou, bonsoir. Bonsoir. À la présentation de ce forum je suis Michel Deji. Bienvenue à toutes et à tous. Euh, rappelons tout d'abord que cette journée mondiale de la liberté de la presse que nous célébrons ce jour trouve son origine dans la conférence de l'UNESCO organisée en Namibie en 1991, soit 30 ans aujourd'hui. Et le thème retenu pour la célébration de cette journée cette année est l'information comme bien public. Un thème qui met en exergue dans le contexte nigérien l'importance du droit à l'information prévu dans l'article 30 de la Constitution de la Septième République qui dispose que toute personne a le droit d'être informée et d'accéder à l'information détenue par les services publics dans les conditions déterminées par la loi. Un mot d'abord sur ce droit à l'information. Suleiman Bras, secrétaire à l'information de la Maison de la Presse, que vous inspire le thème de cette journée. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, au Niger, l'information est considérée comme un bien public Oui, effectivement, au Niger, euh, l'information est considérée comme un bien public parce que c'est euh, au nom du droit à l'information que les journalistes font ce travail pour euh, effectivement informer, éduquer et sensibiliser les publics parce que le public a quand même euh, ses droits euh, d'être informé. comme vous avez dit, effectivement, l'article 31 euh, de la Constitution a quand même bien précisé que l'information est aussi un droit. Donc voilà toute l'importance de ces thèmes. je dirais que le public a effectivement un droit et c'est d'ailleurs pour cette raison que les médias font ce travail pour quand même informer le public. Mais est-ce que cela est perçu comme tel par les services euh, de l'État, les autorités, par exemple, quand il s'agit pour un journaliste d'aller à la recherche de ces informations Oui, ça peut-être ça pose euh, le problème de l'accès à l'information. C'est vrai, ce n'est vraiment pas du tout facile pour les journalistes, malgré ce qu'on a quand même euh, rappelé, par exemple la Constitution. Il y a même une euh, charte portant accès euh, à l'information publique et aux documents administratifs. Qui date de 2011. Alors, malgré cette charte, vous voyez, il y a des services où aujourd'hui c'est tout un problème pour un journaliste d'avoir accès à une information et malgré souvent les correspondances qui peut-être les, les services adressent même quand vous prenez un exemple précis, c'est par exemple le cas du ministère de la Santé, que tout le monde connaît, par exemple au Niger, où bon, c'est un peu difficile pour un journaliste d'avoir euh, vraiment accès à temps réel, mhm. euh, à une euh, information, une interview, un entretien. En tout cas, si vous voulez une information au niveau du ministère de la Santé, c'est un peu difficile. Et ça, c'est aussi valable dans beaucoup de services mhm. publics. Donc, c'est vraiment ça la difficulté. Quelque part, les gens aussi ne respectent pas euh, ces dispositions. Mhm. Comme je vous ai dit, le public a droit à une information, puisque l'information, c'est quand même un droit. Donc, vous ne pouvez pas priver euh, les citoyens de ces droits. Et mhm. c'est vraiment ça aussi la difficulté. Sinon, en dehors de ces ministères, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de services publics où il y a cette rétention euh, de l'information qui reste un droit, vous l'avez précisé. Saïdou Gibril, euh, journaliste, quelle est l'utilité de l'information pour le public euh, que nous servons en tant que journaliste, euh, justement Vous savez, les médias jouent un rôle fondamental dans ce qu'on appelle la création des connaissances, mmh. parce que à travers les informations que les médias diffusent, ils participent euh, à, la construction euh, mhm. de la citoyenneté, à la construction de, du savoir euh, de manière globale. Et l'information comme bien public euh, pose même le principe de la démocratie. Parce que vous savez, il c'est même une question de redevabilité, c'est mm. une question euh, de reddition de comptes, c'est une question de démocratie euh, que de fournir aux citoyens de l'information de qualité, ce qui garantit ce qu'on appelle le droit, disons, du public à une information de qualité. Et mm-hmm. c'est un devoir aussi euh, à la fois pour les journalistes, mais aussi pour les pouvoirs publics ou toutes les entités qui le peuvent, de créer euh, le cadre pour que cette information puisse être générée et euh, disséminée aux, citoyens. Mmh. Mieux le citoyen est informé, mieux l'État va, parce que, on le dit très souvent, c'est l'ignorance qui, qui fait le lit à certains travers, à certains comportements euh, qu'on perçoit euh, dans nos États modernes. Mhm. Tantôt, Suleiman Bra parlait de cette charte portant accès à l'information publique et aux documents administratifs. C'est vrai, il y a un certain nombre d'avatars qui sont liés euh, en quelque sorte à notre manière même de vivre parce que pendant longtemps, l'État moderne est considéré comme euh, souvent l'antre d'un grand secret. Il y a des informations euh, souvent qu'on pense à tort ou à raison euh, qui ne sont pas de la consommation du public. Mm. Mais je pense que c'est aussi la capacité que les citoyens, euh, disons la pression que les citoyens doivent exercer sur l'administration publique qui amènerait des fonctionnaires à ne pas retenir de l'information qui soit diffusable ou qui soit accessible au public. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, il y a une charte, c'est bien, mais ce n'est pas seulement euh, de l'entregent ou du devoir des médias ou des journalistes de faire respecter cette charte, parce qu'on dit pourtant accès à l'information publique. Ça concerne aussi les chercheurs, ça concerne les activistes, ça concerne tout le monde, mm. parce que euh, chacun, pour une raison ou une autre, pourrait avoir, euh, en tout cas, à aller chercher de l'information dans les entités euh, notamment de l'administration publique, parce que le journaliste, lui, qu'il est charte ou pas, dans tous les cas, on suppose que c'est son travail et qu'il mhm. a des prérequis pour savoir comment euh, obtenir cette information. Donc, pour me résumer, L'accès à l'information pose le principe de la démocratie et les mhm. États qui se disent démocratiques doivent fournir l'effort parce que vous savez que euh, le droit à l'information fait partie en quelque sorte des critères même euh, qu'on utilise pour euh, mesurer en quelque sorte l'ancrage de, la démocratie et le respect des droits, mhm. ou disons des droits dans un État justement au sein même de l'administration, on trouve certaines personnes qui sont réticentes parce que ces gens se disent si on donne telle information, ça peut nous coûter cher en tant qu'agent de l'État. Et surtout, certaines informations qu'on cherche ont été générées sur la base des impôts euh, hum. des citoyens, etc. Donc, c'est obligatoire de, de, faire accéder aux citoyens je ne dis pas toutes les informations parce que vous savez, dans tous les États, même dans ce qu'on appelle abusivement les grandes démocraties, mhm. il y a des informations qui sont estampillées euh, d'ordre secret. Euh, on ne parle pas de ces informations, mais il y a mhm. des informations qui sont de notoriété publique, mhm. mais euh, que pour une raison ou une autre, on retient. Mais ça a une histoire parce que vous savez, pour le cas d'un pays comme le Niger, nous avions, au sortir, disons, des indépendances, nous avons eu une sorte de parti-État euh, ensuite, nous avons euh, pendant une quinzaine d'années, subi euh, ce qu'on appelle euh, un régime d'exception <laughs> mhm. qui avait mis une sorte de chape de plomb sur les libertés publiques et l'État est devenu comme un gros centre où on concentre des, secrets. Mhm. La démocratie est venue, c'est vrai, il y a eu des avancées, mais les mentalités, malheureusement, n'ont pas suffisamment suivi, n'ont mhm. pas suffisamment évolué. C'est-à-dire il faut suffisamment sensibiliser d'abord les fonctionnaires parce que c'est d'eux qu'il s'agit en l'occurrence, mais il faut également travailler pour consolider l'État. Consolider l'État, ça veut dire quoi La démocratie suppose la réduction des comptes. Merci à vous. Il faut donc donner l'information à, tous les citoyens pour qu'ils soient édifiés. Cela leur permet de mieux agir dans le cadre donc de l'État de droit et de la démocratie. Monsieur Ismaël Lawal Salo, représentant du Conseil supérieur de la communication, à votre niveau, quel est votre regard sur les difficultés que les confrères parfois par rapport à l'accès à l'information Et selon vous, que faut-il faire pour que l'information soit réellement un bien public au Niger Alors, vous l'avez si bien rappelé, Michel, euh, l'accès à l'information est un droit qui est inscrit dans la Constitution du 25 euh, novembre, 2010. Hum. Et au-delà, dans la Déclaration universelle euh, des droits de l'homme, c'est un droit universel pratiquement qui est reconnu partout dans le monde. Euh, Jibril l'a dit, il y a une histoire, toute une histoire autour de l'accès à l'information au Niger. Mmh. Et euh, aujourd'hui, il y a des résistances, malgré l'existence justement des textes législatifs et réglementaires qui créent les conditions pour accéder à l'information et aux documents administratifs. Non seulement c'est inscrit dans la Constitution, mais l'ordonnance dont vous avez parlé, du 11 février 2011, mmh. elle décline les conditions dans lesquelles on peut obtenir les informations, quel type d'informations sont communicables, quelles sont les informations qui ne sont pas communicables. Alors, à ce niveau, il faut voir le problème sous deux angles. Le premier, c'est qu'il y a des pesanteurs, il y a des résistances au niveau de nos administrations qui n'ont malheureusement pas suivi cette volonté du législateur qui voudrait qu'on accède à l'information, puisque ça a une histoire, c'est parce que euh, des journalistes par le passé ont eu à rencontrer des problèmes Mhm. du fait qu'ils aient obtenu de l'information par des voies loyales. Ils ont obtenu des informations, mais ils ont eu en même temps des problèmes et les administrateurs qui ont fourni l'information ont eu également des problèmes mhm. avec la justice. Donc il fallait créer les conditions pour faciliter l'accès à l'information. Et comme l'a dit Jibril, c'est un ingrédient essentiel de la démocratie. C'est un ingrédient essentiel. Aujourd'hui, vous êtes devant votre écran, vous avez le droit de savoir ce qui se passe, où vous allez. Mais il faut aussi se dire que malheureusement, il y a une situation qui participe à la dégradation. C'est la situation sécuritaire. Mhm. Et même à ce niveau, il faut noter qu'il y a eu une petite révolution, puisque ce qu'on appelait la grande muette. L'armée. L'armée qui ne communiquait pas, et face, c'est vrai, aux journalistes qui, dans la tradition française, on appelle les bavards, était obligés de mettre en place aujourd'hui dans le domaine sécuritaire, partout vous avez des porte-paroles, mhm. vous avez des cellules de communication. Puisque la révolution du digital a fait que si vous ne livrez pas l'information disponible, des gens vont les livrer à votre sur, place, naturellement. Sur la toile. Mhm. Les terroristes aussi ont <laughs> un système de communication. Il faut changer, il faut changer les méthodes, il mhm. faut livrer. Et c'est là l'avantage, tout l'intérêt, tout l'enjeu qu'il y a autour de l'accès à l'information. Mhm. Maintenant, le deuxième élément, on peut le, même dans le domaine de la santé, Bra a parlé, il a effleuré cette question-là, sauf que là, il faut tenir compte des données qui ne sont pas communicables, qui sont les données personnelles. Mhm. Les données personnelles à caractère, pas, à caractère personnel, ne sont pas mhm. communicables. Bien sûr. Mais il faut aussi dire que euh, dans certains cas, moi j'ai eu cette expérience, les journalistes eux-mêmes souvent sont fautifs. Vous avez euh, des reportages à réaliser, vous avez un événement quelconque à couvrir, c'est dans les 30 minutes ou dans les 15 minutes que vous cherchez à réaliser le truc. Mhm. Vous cherchez une information, vous avisez les responsables qui disposent de cette information à temps pour qu'ils réunissent au moins mhm. l'information dont vous avez besoin. Et moi, je crois que de façon euh, <laughs> courtoise, il y a quand même euh, un certain délai qu'il faut, faut mhm. respecter. Mais c'est sur le champ, sans avoir avisé quelqu'un à il vous dit que j'ai besoin d'informations. Mhm. Ça, je crois que c'est un, euh, un problème au niveau de nos médias. Je sais qu'il y a la pression souvent de l'instantanéité de l'information, mm. mais il faut aussi faire preuve de responsabilité en se disant que je dois prendre rendez-vous, je dois aviser pour que j'accède à une information saine, pour que je permette à mon interlocuteur de réunir les informations nécessaires dont j'ai besoin. Il faut donc améliorer la démarche. Il faut améliorer avoir la démarche. Information. Il faut s'y prendre à temps. Deux jours avant, 48 heures avant, 112 heures avant. Donc déjà, on est dans sa thématique et puis on, le prépare sérieusement. Mais mm-hmm. de façon spontanée sur le champ, vous allez toujours rencontrer des problèmes et puisque dans certaines administrations, ces pesanteurs dont je parle font que il faut que celui à qui vous adressez rende compte à, à Il y a toutes ces démarches Et quand le chef n'est pas là, forcément, c'est un problème. Il y a certaines administrations qui gardent encore ce réflexe, mhm. qui relève de l'état d'exception. Je l'ai dit, c'est quand même, mhm. c'était l'état central où tout doit remonter en haut. Et c'est quand vous recevrez les instructions du haut que vous livrez les informations. Mhm. Donc il faut reconnaître que sur ce plan-là, il y a eu des progrès les langues se sont déliées. Il y a beaucoup d'administrateurs qui n'ont pas besoin de prendre le mot de leur hiérarchie pour parler à un journaliste. Mhm. Donc, je, en soi, je trouve que c'est des progrès comparativement aux 20, 30 dernières, 30 dernières années. Mhm. Donc, c'est deux défis. Le premier défi est d'ordre législatif et réglementaire. Ça a été levé. Il faudrait que l'ensemble des citoyens se disent que c'est un droit, comme le droit à la liberté d'expression, comme le droit à la liberté de presse, comme le droit à la liberté de culte. Accéder à l'information, être informé est un droit. Et comme tout droit, bien sûr, ce n'est pas un acquis définitif. Pour consolider, pour avancer, il faudrait bien sûr que les gens, toutes les organisations qui œuvrent dans ce secteur-là, travaillent euh, de façon responsable, justement donc à faire avancer les choses, à diagnostiquer, à voir qu'est-ce qui ne va pas, et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Merci beaucoup. Vous avez donc eu à qu'il y a donc la démarche euh, de nos confrères, disons, de nous journalistes, qu'il y a lieu d'améliorer. Au niveau même de l'État, il faut faire euh, des efforts donc euh, afin que l'information puisse être véritablement à la portée du public, car c'est un droit, l'accès à l'information. Revenons à présent sur le thème de ce forum, contribution de la presse nigérienne dans la promotion de l'état de droit et de la démocratie au Niger, avancée et défis. Suleiman Bra, secrétaire à l'information de la Maison de la Presse, peut-on réellement parler d'avancée de la presse euh, nigérienne de 1991, euh, année de l'avènement de la démocratie au Niger, à nos jours Si oui, c'est lequel Merci. Avant peut-être de parler des avancées, il faut euh, effectivement faire un rétrospectif de là où on a euh, commencé. Mhm. Effectivement, c'est suite à la tenue de la conférence nationale en 91, 91 mhm. que ce secteur euh, a été libéralisé. Alors, du premier journal privé Haske en passant par euh, la première radio privée, la première télévision aussi privée en 2000, je pense. RM euh, donc euh, et, la RTT RM c'est en 1994, je pense, mhm. RTT en 2000. Le paysage médiatique nigérien est aujourd'hui riche, les diversifié aussi avec au moins 13 télévisions d'ondes nationales, une à l'intérieur du pays, plus de 180 radios communautaires, une cinquantaine aussi des radios privées aussi il y a une quatre-vingtaine de titres, dont une trentaine qui paraissent euh, régulièrement. Mhm. Avec aussi l'évolution euh, du numérique, on a aussi la presse euh, en ligne, même si on n'a pas quand même les chiffres exacts. Maintenant, on peut peut-être aussi regarder du point de vue au niveau de l'environnement juridique Qu'est-ce qu'il a aussi évolué, puisque c'est tout un combat. Après aussi la sortie de la conférence nationale, c'est vrai, il y a d'abord l'acte 40 portant reconnaissance ou création de l'instance de régulation aussi qui a été pris au niveau de la conférence nationale. Maintenant, quand on regarde un peu après ces paysages, vous allez voir au niveau de l'environnement juridique c'est vrai, en 2010, il y a eu l'ordonnance 2010-35 du 4 juin portant pénalisations, qui est censée euh, mhm. quand même être euh, une avancée de l'exercice de la profession. Après ça, ça a suivi de, de la signature aussi de la déclaration de la montagne à la table. Par l'ancien président de Mamadou, le 30 novembre 2011. Il y a aussi cette euh, charte qu'on a évoquée tout à l'heure portant euh, accès à l'information publique et aux documents administratifs. Il y a aussi l'institution d'une journée nationale de la liberté de la presse euh, en 2014. Mhm. Peut-être du point de vue texte, on peut dire que bon, puis sans pour autant oublier la Constitution, on a parlé de ça, euh, c'est des avancées. Mais à côté aussi, vous allez voir que ça a été suivi aussi quelque part d'entorses ou de pressions, mhm. des restrictions même des libertés. Mhm. Et c'est ça qui a un peu justifié pendant ces années la place ou le rang du Niger euh, au niveau du classement RSF. Par exemple, après les années qui ont suivi la dépénalisation, vous avez vu qu'il y a des parts et d'autres au, niveau des journalistes. Mhm. Il y a quand même des manquements qu'on a constatés. Aussi, au niveau du pouvoir public, il y a aussi cette euh, volonté de vouloir aussi entraver l'exercice de la profession. Mhm. Maintenant, c'est vrai du point de vue texte, on peut dire que bon, euh, ça va même si aussi, à partir de 2019, il y a cette nouvelle loi sur la cybercriminalité qui veut remettre en cause euh, mhm. presque tout ce que je viens aussi de vous citer. Oui, c'est vrai. À travers cette loi, si le journaliste euh, agit, tant que ce n'est pas par un canal qui le couvre à travers son organe de presse, il est exposé à des sanctions. Oui. Mhm. Maintenant, par exemple, au niveau des médias et des journalistes, il n'y a pratiquement pas eu des avancées, puisque jusqu'à là, euh, pendant ces 30 euh, années, on n'a pas pu instaurer des vraies entreprises de presse au Niger. Maintenant, quand vous regardez aussi... Des vraies entreprises de presse, c'est-à-dire C'est-à-dire, quand vous voyez, c'est vrai, quand on regarde les nombres, ça va. D'une radio, aujourd'hui, on est à une cinquantaine, les télévisions, on a tout. Mhm. Mais quand vous voyez la situation de nos médias, ce n'est vraiment pas ça. Mhm. Donc, du point de vue économique, ça ne va pas. Mhm. Maintenant, même, même les journalistes qui travaillent aussi, donc, quand vous regardez, est-ce que la situation de la première génération qui a commencé au niveau de ces médias privés à aujourd'hui. En termes de conditions de vie et de travail. Oui, en termes de conditions de vie et de travail. Mhm. Qu'est-ce qui a véritablement changé Parce que jusque-là, 30 ans après, la convention collective n'a pas été signée. Mhm. Les journalistes, beaucoup de journalistes ne sont pas inscrits au niveau de la caisse, beaucoup n'ont pas de contrat, mhm. beaucoup aussi ont des salaires ou disons de pécule qui est vraiment dérisoire. Mhm. Maintenant, par rapport aussi aux conditions de travail, c'est tout ce que vous connaissez, c'est vraiment difficile le respect des horaires de travail et tout ce qui s'ensuit, c'est vraiment un problème pour les journalistes mhm. nigériens. Donc, quand euh, on regarde avec aussi tout ce qu'on a cité, les arrestations, les intimidations, les harcèlements, la question aussi des fermetures euh, des médias, avec tout ce qui s'ensuit, vous allez voir que c'est vrai, on peut quelque part parler des avancées, mais c'est toujours euh, mitigé. Mhm. Ce n'est pas euh, comme quand même euh, il faut s'attendre. Et voilà, cette année aussi, mhm. vous avez vu, le Niger a aussi perdu des points par rapport au classement, au dernier classement, du reporter sans frontières. Donc c'est vrai, il y a eu des avancées, mais beaucoup de choses restent à faire pour véritablement qu'on ait quand même une presse libre et indépendante au Niger. Les difficultés sont vraiment toujours là. Merci donc à vous. Suleiman Brun, représentant de la maison de la presse. Euh, Seydou Gibril, pendant tout ce parcours, c'est vrai, il a expliqué qu'il y a eu certes des avancées, mais beaucoup d'efforts restent toujours euh, à faire, du point de vue notamment conditions de travail et de vie des journalistes, euh, l'aspect juridique, notamment cette loi sur la cybercriminalité qui fait que des journalistes peuvent encore aller en prison. Mais selon vous, quel bilan tirez-vous de ce parcours en lien toujours avec l'effort des journalistes et leur contribution pendant tout ce temps à la promotion de la démocratie et de l'état de droit au Niger. Bon, vous savez, euh, pour le cas du Niger, pour paraphraser, je pense que la problématique de la liberté de presse est intimement liée à l'instauration aussi de la démocratie. Mmh. Bra l'avait évoqué tantôt. Mhm. Les premiers médias privés ont vu le jour euh, justement dans cette vague de démocratisation. Et je pense que par rapport à la contribution à la construction de l'État de droit, les mhm. médias ont joué euh, suffisamment euh, leur partition parce que euh, ceux-ci ont permis de sensibiliser de manière intense les, publics à travers la livraison d'un certain nombre d'informations. Mhm. Les médias ont contribué aussi à créer ce qu'on peut appeler des forums, des débats au niveau euh, donc euh, du public. Les médias ont servi euh, aussi de contre-pouvoir pour mmh. contrecarrer certaines velléités de confiscation de certains acquis démocratiques, etc. Et ce n'est pas, je pense, de manière abusive quand on parle de la presse comme un quatrième pouvoir, mmh. parce que, évidemment, pour le cas du Niger, les médias ont également joué ces rôles les médias ont aussi contribué, si vous voulez, à l'ancrage de la culture de la reddition des comptes, parce qu'à travers euh, certaines publications, les gens se sont retrouvés dans l'obligation de communiquer, de rendre compte. Ça, c'est très important à souligner. Maintenant, il faut peut-être dissocier euh, cette contribution de certains avatars qui sont liés maintenant à comment la liberté de la presse a évolué ces 30 dernières années. Je dirais que ça a été une évolution en dents de scie parce que nous sommes passés, d'abord en termes du point de vue économique, nous sommes passés de grands journaux, en tout cas à, grands grand tirage, il y a 30 ans, à aujourd'hui une sorte de déliquescence euh, au niveau notamment de la presse euh, écrite, mais en même temps, nous avions participé à une floraison de médias comme il l'a souligné, il y a beaucoup, euh, du point de vue de l'audiovisuel, il y a beaucoup de télévision, beaucoup de, radio, il y a même aujourd'hui euh, beaucoup de radios communautaires, c'est ah. très important. L'évolution des technologies de l'information et de la communication est aidant, nous avons aujourd'hui euh, beaucoup de sites d'information en ligne. Et à côté aussi, il y a l'émergence aussi de cette communauté, de cette blogosphère euh, mhm. d'activistes euh, numériques, etc., qui participent euh, justement à l'ancrage de la liberté d'expression de façon générale. Il y a eu beaucoup de textes, euh, de, mon point de vue, qui sont une avancée, parce que quand on regarde euh, l'ordonnance portant régime de la liberté de la presse du Niger, comporte mm. ce qu'on appelle euh, la dépénalisation du délit, de, presse. évidemment, à partir de l'adoption de la loi sur la cybercriminalité que vous évoquez tantôt, on peut se demander aujourd'hui, est-ce que le législateur n'a pas repris d'une autre main euh, un droit qu'il a concédé à travers l'ordonnance, parce que le journaliste aujourd'hui est, soumis au régime de cette loi sur la cybercriminalité qui dit mhm. que si vous êtes coupable, ou disons si vous êtes accusé de délit de diffamation, de propagation de fausses nouvelles ou d'injures, vous pouvez faire la prison. Bien sûr. Alors que la loi sur la dépénalisation prévoit des Donc Peut-être le travail à ce niveau, c'est que mhm. des organisations comme la Maison de la Presse doivent mhm. faire le plaidoyer pour que justement, au moins le journaliste soit extirpé entre guillemets du régime de cette loi sur la cybercriminalité. Ça veut dire que, vous pensez que la loi sur la cybercriminalité ne doit pas concerner les journalistes euh, Sur certains de ces aspects, bien mhm. sûr, parce que l'ordonnance portant régime de la liberté de la presse a des Pénaliser quatre types de délits. Le mhm. délit de diffamation, le délit de propagation de fausses nouvelles, par exemple, injures et offenses. Et même la détention préventive à ces niveaux est exclue. Mhm. Mais, c'est, sont, mais quand vous regardez la loi sur la cybercriminalité, le journaliste n'a pas cette protection. Donc, il n'y a pas que, la loi sur la cybercriminalité. Il y a même l'application du code pénal dans mhm. certains cas. pour mais, mais d'un point de vue, souvent, la loi sur la cybercriminalité se révèle plus sévère que même certaines dispositions du, code, pénal, que vous, évoquez. Donc, mhm pour moi, eh, il faut qu'il y ait une certaine cohérence mhm. et il faut que la volonté qui a été exprimée en 2010 de, garantir une avancée, parce que au niveau euh, du délit de presse, il faut que cette volonté soit réaffirmée à mhm. travers la loi sur la cybercriminalité, parce que les journalistes, euh, vous savez, eh, c'est très facile aujourd'hui, si on veut abîmer un journaliste, de le faire. Vous avez tout de suite dit que le journaliste peut être protégé. Moi, je mhm. reste nuancé par rapport à ça parce que je me dis que si vous publiez même dans votre journal et que cette publication se retrouve par hasard sur une plateforme numérique, mhm. on peut vous poursuivre sur la base de la discussion de la cybercriminalité. Et je pense qu'un de nos confrères a déjà fait les frais de, de ce type. Euh, le, confrère n'a même pas de page Facebook, mm-hmm. mais son article s'est retrouvé sur Facebook, il a été poursuivi sur la base de la loi sur la cybercriminalité. Donc, RSF dénonce d'ailleurs souvent cela, ça a été dit dans son rapport euh, récemment. Merci à vous, Seydou Jibril. Alors, euh, Ismaël Lawal Salou, représentant du Conseil supérieur de la communication, comment consolider ces acquis dans le cadre de la liberté de la presse au Niger et même réussir euh, à les améliorer. Capitaliser les acquis, mhm. c'est une responsabilité collective, d'autant que, euh, comme euh, Jibril l'a précisé, la presse a joué un rôle essentiel dans l'enracinement de la démocratie au Niger. À chaque fois que la démocratie a été menacée dans notre pays, la presse était présente pour se mettre dans le combat, pour la sauvegarde de la démocratie et de l'état de droit à chaque fois que des deniers publics sont spoliés, la presse était toujours là pour alerter l'opinion. beaucoup de scandales, justement, ont été révélés par la presse. Et euh, pour tout dire, vous avez vu, avec toutes les turbulences politiques que le Niger a connues, l'une des institutions qui a toujours été présente, même quand il y a cette parenthèse de transition militaire, c'est le Conseil supérieur de la communication. Donc c'est dire que tout le monde est conscient de l'importance de la presse et de sa régulation, bien entendu, puisque c'est un domaine qu'il faut réguler. Donc, euh, en termes de contribution, vraiment, la contribution de la presse est inestimable. Les exemples euh, sont légion. On peut citer énormément d'exemples dans lesquels, en tout cas, la presse a joué un rôle fondamental de sentinelle, d'alerte, de, de combat, mhm. s'il faut le, dire. Mais il y a euh, effectivement beaucoup de défis qui sont liées à certaines euh, tortuosités des textes. Euh, vous évoquez tantôt ici la loi 2010-35 qui fut le résultat de long combat qui a été mené par la presse, puisque dans le temps, les journalistes allaient pratiquement en prison par dizaines par an. Et il a fallu mener ce combat pour des délits de diffamation, pour des délits d'injures d'offense. Quand vous regardez le contenu, mhm on, sent qu'il n'y a, rien du sérieux. Euh, le journaliste était exposé. Il était exposé, il était pratiquement euh, menacé. Et le combat qui a été mené par les organisations sous-professionnelles a permis, justement, donc en 2010, de euh, dépénaliser les quatre délits que Jibril a cités, le délit de diffamation, d'injure, d'offense et de propagation de fausses nouvelles. Mais, comme il l'a dit, ce qui a été donné d'une main a été repris de l'autre, dans la précipitation, pour répondre à un impératif de sécurité, puisque mm. c'est, il faut dire les choses. On a pris la loi sur la cybercriminalité en 2019. C'est que tous les États, à un moment, compte tenu donc de la menace que constitue la toile sur les États, relativement en tout cas aux questions sécuritaires, ils se sont précipités à prendre des législations. Mm. Et c'était l'une des lois qui a été prise sans avoir euh, consulté au préalable. Mm. Puisque dans la plupart des cas, quand il y a des lois sur la communication, elles sont soumises les projets, en tout cas de loi, sont soumis aux organisations socio-professionnelles pour qu'ils émettent leur avis, pour qu'ils apportent leur amendement. Bon, mais celle-là, elle a été catapultée et puis on a pris et on a omis, certainement, je me dis, je présume que c'est une omission, mhm. <laughs> je présume que c'est une omission, puisque quand on prend les textes de la précipitation, malheureusement, on ne peut que déboucher sur ça, on va se trouver avec deux textes contradictoires, et là, on va juste compter sur euh, la bonne foi du juge qui, euh, à loisir, voudra appliquer ou le code pénal ou la loi spéciale sur euh, la, la, liberté de presse ou la loi sur la cybercriminalité. Mais moi, je crois que c'est une question de responsabilité collective, comme je l'avais dit. Mhm. C'est tout le monde. Il faut que tout le monde s'y mette. Organisation socio et l'État, donc au niveau du gouvernement, on doit se mettre. C'est-à-dire qu'il faut se dire qu'on le fait. Vous avez bien dit euh, consolidation de la démocratie et de l'État de droit. L'État de droit a des exigences. Mhm. Et ces exigences-là, c'est les libertés, c'est la justice, c'est tout cela. Ça doit être compris donc par tout le monde Absolument. Il faut que mhm. tout le monde le comprenne. Ce n'est pas seulement une affaire de journaliste, non. Mhm. C'est une affaire de droit à l'information, c'est une affaire de droit d'accès à l'information, c'est une liberté fondamentale. Mhm. Donc si on le comprend ainsi, je crois que tout le monde se mettra et se dira que non, nous n'avons pas intérêt. Ce pas pour punir le journaliste. Mais c'est pour faciliter la tâche. Absolument, c'est pour faciliter la tâche à tout le monde dans le cadre de la satisfaction d'un droit constitutionnel. Merci à vous. Donc, euh, nous entamons à présent la dernière partie de ce forum et c'est pour parler justement des grands défis qui se posent à la presse nigérienne actuellement dans le cadre de la promotion de l'état de droit et de la démocratie au Niger. Souleymane Bra, secrétaire à l'information de la Maison de la Presse. D'abord, euh, quels sont selon vous ces grands défis qui se posent à notre presse aujourd'hui? Les grand depuis, je vais commencer là où Ismaël s'est arrêté. Quand vous prenez par exemple au niveau de l'ordonnance 2010-35, euh, il est clairement dit que la détention préventive est quand même euh, interdite. interdite. Mmh. Vous voyez, de 2010 à aujourd'hui, en tout cas au niveau euh, de la justice, je n'ai pas souvenance si cette disposition est quand même respectée, puisqu'on a vu des journalistes qui ont été euh, quand même euh, arrêtés, euh, sinon déférés même au niveau des, des, prisons. Sur la base notamment d'autres lois, comme ça a été maintenant, dit. Mhm. Maintenant, c'est ça où les juges contournent cette ordonnance. En fait, c'est pour lui que dans l'ordonnance, c'est même précisé que la détention préventive elle est interdite. Mhm. Maintenant, on contourne cette, ordonnance. cette ordonnance pour déjà appliquer aux journalistes les codes pénals. Mhm. Donc c'est dire que bon, c'est vraiment, maintenant, avec cette loi sur la cybercriminalité, ce n'est pas seulement les journalistes qui sont menacés, mais c'est tous les citoyens j'allais dire, mhm. les usagers, les Qui ont également le droit à la liberté d'expression. Quand vous prenez par exemple un des, euh, un des articles sévères de cette euh, loi sur la cybercriminalité, c'est l'article 31 qui dit par exemple l'effet pour une personne de produire, de mettre à la disposition d'autrui ou de diffuser des données à, des nature à troubler l'ordre public ou apporter atteinte à la dignité même par les vies d'un système d'information mhm. et est puni d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'un million à 5 millions de francs CFA d'amende. Vous voyez, un ça c'est juste le fait, par exemple, les partages, le fait juste de produire quelque chose. Et tout à l'heure, je voulais rappeler que le fait que quelqu'un prend ou copie votre article et qu'il le diffuse, par exemple, sur les réseaux sociaux, ça peut être Facebook, ça peut être WhatsApp, mhm. si on vous prend, et c'est ça qu'on va vous appliquer des... Alors que parfois on constate qu'il y a une multitude de partages. Aujourd'hui, ça c'est un défi où il faut nécessairement mhm. revoir certaines dispositions de cette loi sur la cybercriminalité. Ça c'est vraiment un défi. Il faut euh, vraiment euh, mener les plaidoyers pour revoir certaines dispositions de cette loi sur la cybercriminalité. Maintenant, au niveau <coughs> des journalistes aussi, avec l'évolution du numérique, avec tout ce qu'on a cité comme euh, les sites aujourd'hui et les activistes, les influenceurs et tout, mhm. il y a aussi ces défis de professionnalisation aussi des journalistes vers le numérique pour donner aussi la vraie information euh, de l'autre côté. Au niveau des médias, il faut aller vers la signature de cette euh, convention collective pour vraiment améliorer les conditions de vie, et de travail des journalistes. À nos médias aussi, de s'adapter et de trouver par exemple, les moyens comment il faut asseoir une véritable euh, entreprise de presse, parce euh, qu'il faut améliorer le contenu, les programmes, tout ce qu'il y a. Euh, maintenant, nous, euh, le renforcement des capacités aussi va continuer et les autres défis, je pense, euh, seront quand même euh, relevés. Merci Suleiman Bra. Saïdou Djibril, journaliste, quels sont les autres efforts à faire pour réussir à relever les défis qui se posent à la presse aujourd'hui Au niveau d'abord juridique, comme il l'a dit, je mm. pense qu'il y a des efforts à faire à ce niveau pour que justement il y ait une certaine harmonisation du cadre légal et réglementaire qui régit euh, la presse. Euh, on a tantôt évoqué euh, cette discordance entre la loi portant cybercriminalité et mhm. puis l'ordonnance portant régime de la liberté de la presse et plusieurs autres textes qui régissent le domaine de la communication et des médias euh, que le conseiller Ismaël a évoqué tantôt. Et je pense qu'à ce niveau, il est du devoir d'avoir des organisations socioprofessionnelles des médias de mener un plaidoyer fort pour que une correction ou une révision de ces textes euh, soit faite. Il est aussi euh, du devoir, de mon point de vue, des pouvoirs publics d'être sensibles à ces questions. L'autre défi, c'est du point de vue professionnel. Je mmh. pense qu'il y a un surcroît de professionnalisme dont les journalistes doivent faire montre pour mériter en tout cas tous les acquis qu'on venait d'évoquer tantôt, parce qu'il faut le dire aussi, la pratique du journalisme dans ce pays n'est pas immaculée. C'est une pratique qui a aussi, euh, malheureusement, assez tard Il y a des brebis galeuses dans la profession. Et ça, ça ne contribue pas à redorer, euh, si vous voulez, euh, l'image de la presse. Et je pense que euh, il y a un effort à faire euh, dans le cadre de l'observance des principes d'éthique et de déontologie, mais aussi du renforcement des capacités. Les journalistes doivent se former. L'autre défi est, du mon point de vue, euh, d'ordre économique. Hum. ce qu'on appelle l'entreprise de presse au Niger, je pense qu'il y a il y a un embryon d'entreprise économique, mais l'état économique dans lequel se trouve beaucoup de médias et totalement lamentable. Il y a des journalistes qui sont pas payés ou qui sont peu payés, ou pour certains, ils sont payés presque au lance-pierre. Donc, euh, il y a, euh, je crois, un effort aussi à ce niveau, une réflexion que les journalistes, les médias eux-mêmes doivent mener pour voir comment il faut rentabiliser l'économie des médias. Donc, euh, ça, ce sont des défis. Maintenant, pour les relever, chacun sait que il faut travailler en synergie, entre les organisations socioprofessionnelles, les instances de régulation, l'État, etc., même la convention collective. Je pense, contrairement à l'optimisme de mon confrère Bras, je pense que ce n'est pas une panacée. Hein. Il mhm. faut d'abord faire un travail en amont pour que quand cette convention va être adoptée, elle n'exclut pas certains de, vos journalistes parce que les, promoteurs, en fait, les employeurs, ils vont être exigeants aussi par rapport à certains critères. Donc, euh, il faut qu'on s'y attelle tous. Merci à vous. Saïdou Djibril, Ismaël Lawal Selo, représentant du Conseil supérieur de la communication. Selon vous, quels sont les comportements à bannir au sein de la presse nigérienne, privée comme euh, publique, afin qu'elle puisse réussir à jouer pleinement son rôle dans le cadre de l'état de droit et de la démocratie au Niger et qu'on puisse euh, arriver à relever les défis qui ont été énumérés par ceux qui vous ont précédés Tout ce que je peux dire, les journalistes doivent euh, revenir au BABA, c'est-à-dire aux règles nous avons un code d'éthique et de déontologie qui est malheureusement bafoué par beaucoup de nos confrères et qui participe aujourd'hui malheureusement à décrédibiliser la profession. Nous sommes euh, dans une nouvelle ère, comme euh, l'a relevé, c'est l'ère du numérique où chaque jour que Dieu fait, vous voyez une production abondante. Il là pour témoigner, puisqu'il relève ces fake news là qui sont qui inondent et qui servent de source de sources d'information pour les journalistes. Hum. S'il vous plaît. Ça, ça veut dire qu'on est très loin des Béaba qui voudraient que l'on procède à la vérification de l'information, au recoupement de l'information. C'est à, la minute près, hein, hum. à la minute près des, sur WhatsApp, sur, hum. euh, sur des pages Facebook, ce sont des pratiques à bannir. J'estime qu'un journaliste a des règles, il faut le respecter, il faut prendre le temps de vérifier l'information, de la contrôler, de la recouper avant de la mettre à la disposition du public. Mm. Mais si un journaliste doit se rabattre sur ce qui est partagé à travers les réseaux sociaux comme source d'information, je crois que ça sera une descente aux enfers. Alors, et pour cela, je crois qu'on avait tenu des, états généraux de la presse en 2010. Mm-hmm. Je me dis que dix ans après, les professionnels peuvent encore se retrouver, faire le bilan, puisque c'est à l'issue de ces états généraux-là que l'on a obtenu ce que l'on a obtenu, tous les acquis-là. Et je suis persuadé que s'il y a un forum de ce genre, mhm. qu'on peut repartir encore pour voir euh, les faiblesses qu'il faut corriger. Bras Bra a soulevé cette question de sécurité des journalistes, de sécurité sociale des journalistes. Mhm. C'est fondamental. Un journaliste qui, malheureusement, a faim, qui euh, est traumatisé par le quotidien, ne peut pas être indépendant. Il ne peut pas être indépendant. Et une des règles, c'est l'indépendance du journaliste, c'est l'indépendance du média. Euh, un aspect important, c'est l'accès à la publicité. Puisqu'on hum. Puisque euh, on a parlé d'entreprises de presse, et quand vous parlez d'entreprises de presse, il faut de la publicité pour qu'elles vivent, ces entreprises. Et malheureusement, nous savions que l'environnement nigérien fait qu'il y a une sorte de monopole euh, pratiquement qui est orienté vers les médias d'État. Ça a été d'ailleurs demandé à l'État pour que les promoteurs de ces Tout de presse acceptent la convention collective. Si on se retrouve autour d'un forum, mhm. autour euh, des états généraux de la presse, on pourra trouver des solutions. trouver à tous ces Problèmes. Même les faiblesses relevées dans les textes, tout cela, je crois que euh, on peut tirer les bilans de 10 ans de mise en œuvre, justement, donc, de ce qui est issu de ces. Puisque la plupart des actes qui ont été posés au niveau des États généraux ont été appliqués, ils ont donné des résultats. Ces résultats-là, quels sont euh, ceux qui ont été bons, quels sont ceux qui ont été mauvais, et puis voir ce qu'il faut redresser. Merci à vous. Nous sommes euh, donc euh, au terme de ce forum du studio Kalango qui a eu pour thème contribution de la presse nigérienne dans la promotion de l'état de droit et de la démocratie au Niger. Nous étions en compagnie de trois invités. Il s'agit d'abord euh, de Seydou Jibril, il est journaliste, Monsieur Ismail Lawal Salou, représentant du Conseil supérieur de la communication et Suleiman Bra, il est secrétaire à l'information à la Maison de la Presse qu'il a représentée à ce forum. Merci euh, d'avoir accepté de faire le déplacement et d'avoir répondu à nos questions en ce jour 3 euh, mai 2021, journée mondiale de la liberté de la presse. Merci également à vous qui nous avez suivis. Nous sommes donc au terme de ce forum. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Au revoir.